le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la Presse. Le Forum de la Presse, pour rappel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la Presse de, cette de cette semaine, la rentrée scolaire de ce jeudi 15 octobre 2020 sur l'étendue du territoire national pour l'enseignement au niveau du primaire, du secondaire. Cette rentrée a-t-elle été effective au vu du contexte qui la caractérise À suivre les réponses de nos confrères euh, dans ce forum. L'actualité, c'est aussi euh, cette plainte déposée par le cadre d'action euh, des acteurs de la société civile nigérienne au tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre la ville de Niamey et l'État du Niger suite à l'interdiction de la manifestation prévue se tenir le vendredi 9 octobre passé. Et pour terminer, nous parlerons de la grève générale dans le secteur des transports du jeudi 15 octobre à l'appel de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger pour dire non à l'exigence du permis de conduire biométrique demandé aux transporteurs. Pour discuter et analyser ces faits de l'actualité, nous avons invité nos confrères. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante, elle est au téléphone avec nous. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Et Elhaj Suleiman Mahamadou, Elhaj Mahamadou Suleiman, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter. Elhaj Suleiman, bonsoir. bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 16 octobre 2020. Nous débutons par l'actualité sur le plan éducatif, notamment la rentrée scolaire de ce jeudi 15 octobre 2020 sur l'étendue du territoire national. Cette rentrée qui concerne l'enseignement au niveau du primaire, je le disais au début, et du secondaire, une rentrée qui intervient dans un contexte marqué par d'innombrables sinistres causés par les eaux de pluie et du fleuve, des écoles emportées par les eaux dans certains cas, envahie par les eaux stagnantes ou encore occupée par des sinistrés. Malgré les différentes sonnettes d'alarme des différents acteurs, le gouvernement a maintenu la date du 15 octobre pour une rentrée générale sur l'ensemble du pays. Il avait promis d'ailleurs de prendre les mesures idoines pour la réussite de cette rentrée. D'entrée de jeu, je commence avec vous, Elage Suleiman Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Quels sont les échos qui vous parviennent, les informations dont vous disposez à ces jours au sujet euh, de l'effectivité de cette rentrée du, 15 octobre ben, Une chose euh, est sûre, euh, il y a eu rentrée. Maintenant, son effectivité, je ne sais pas, il va falloir donc entendre le bilan des uns et des autres. mais il y a eu rentrée aujourd'hui et vous dites que le gouvernement a maintenu. Le gouvernement avait plutôt reporté de deux semaines la rentrée qui devrait se faire euh, le 1er octobre. Et un des arguments qui sous-tend ce report, c'était justement euh, la situation des inondations, en tout cas les écoles qui sont occupées par donc, euh, les sinistrés. Donc cette rentrée justement a eu lieu dans des conditions, vous l'avez dit, assez difficiles. Euh, la question qu'il faut se poser, euh, d'aucuns disent que c'est une rentrée politique euh, au regard justement de toutes ces considérations. mais je pense qu'il faut aller à l'école. On ne doit pas ne pas faire face aux difficultés. Il y a le Covid, c'est incontestable, une autre réalité, surtout que en tout cas, on se rend compte que la maladie est toujours là, qu'on ne peut que considérer qu'il faut donc non seulement prendre des mesures au niveau général du pays, mais aussi au niveau donc euh, des écoles. Mm. Euh, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est ces sinistrés qui occupaient les, écoles, leur euh, décrépissement j'ai entendu le gouvernement, euh, le gouverneur a dire que, ou peut-être leur logement. Leur logement, justement, dire que je mm. crois le centre, le camp Gamou serait, je crois, aménagé pour, pour, recevoir, pour le recevoir. Non seulement euh, leur euh, donc relogement suppose aussi euh, mettre les, classes où ils étaient donc en état donc d'être opérationnels, mais aussi là où ils vont, ils ont aussi des, des, familles, ils ont des enfants. Bref, il y a autant de questions, comme je l'ai dit, à, ce moment. Nous ne pouvons pas, présager. Donc, pour vous, il est, il, est, il, est, il est, trop tôt pour, il est, parler des, mais bien. une chose est officiellement, il y a eu la rentrée et très tôt le matin, justement, on voyait que les gens, même s'il y a eu quelques difficultés, perturbations avec euh, les taxis qui, je crois, qui sont, qui avaient appelé. Mais on voyait justement très tôt le matin les gens qui sortaient pour aller justement à, l'école. Bien. Nous allons partir avec Maimouna Diado qui est au téléphone avec nous. Maimouna, euh, voilà, vous avez suivi comme tout le monde cette rentrée euh, du 15 octobre pour le secondaire et le primaire quels sont euh, les, premiers éléments d'appréciation dont vous disposez à ces, euh, à ces jours concernant cette, euh, rentrée Pour Elage Suleiman, il est trop tôt pour, parler d'effectivité. Effectivement, Alain a, a parfaitement raison parce que il est très tôt maintenant pour parler d'effectivité concernant la rentrée scolaire. Hmm. Donc la rentrée scolaire a été effectuée, certes, mais il faut attendre les échos des autres régions pour savoir l'effectivité, ou bien ici même à Niamey, pour, connaître l'effectivité, est-ce que ça a été effectif ou pas. Et avec, euh, comme l'a dit Alain Schleman aussi, les perturbations avec euh, la grève des, taxis. donc, euh, ça a un peu aussi impacté sur cette rentrée scolaire. Hmm. Mais tant mieux. La rentrée scolaire a été officielle, ça a été lancé, parce qu'on ne peut pas continuer donc, à sacrifier également les élèves euh, du point de vue donc euh, étude, Euh, surtout que nous savons que les inondations jusqu'à présent, euh, les, les, les, sinistrés sont en train d'être relogés, mais ce n'est pas également effectif jusqu'à présent leur relogement. nous ne pouvons pas également sacrifier ces enfants pour des questions sanitaires de Covid-19 également. Donc je pense que le, le, du 1er octobre, ça a été ramené au 15 octobre, euh, c'est déjà bon. Je pense que maintenant, ce qui est vraiment à ce qu'il faut prendre comme mesure, c'est les mesures préventives. Mm. Et nous allons suivre, euh, comme d'ailleurs tous les Nigériens, mm. pour entendre de par si les échos qui vont, euh, que nous aurons comme information, pour pouvoir peut-être fixer si oui ou non la rentrée a été effective ou pas. Hmm. Je pense que c'est déjà un pas, un pas en avant pour le gouvernement qui a décidé de faire la rentrée. Bien, nous revenons au studio avec vous, euh, Hassan Boukar. Voilà, quelle est l'appréciation que vous, vous faites de cette rentrée On sait que, euh, euh, voilà, avant cette rentrée, il y avait un certain nombre d'acteurs qui ont qui ont appelé au gouvernement à sursoir à, la date du 15 octobre parce qu'il y avait beaucoup d'indicateurs euh, qui montraient que certains enfants euh, compte tenu des, des, situations dans lesquelles se trouvent eux et leurs parents, mm-hmm. euh, ne pourront pas pouvoir euh, être avec tous les, autres enfants à, l'école parce que soit les écoles sont inondées, soit mm-hmm. voilà, ils, ont été relogés loin de, de leur école. Mm-hmm. Qu'en dites-vous Merci. Mais je pense que euh, toutes les régions du Niger, heureusement, n'ont pas été affectées aussi gravement que la capitale. Par mm. exemple, la région de Niamey a été vraiment affectée par euh, les inondations. Il y a aussi la, région de Maradi. Hein, oui, mais je veux dire, ce n'est pas mm. le cas de toutes les régions. Euh, le report de la rentrée de deux semaines, c'était justement pour prendre des mesures à la fois pour trouver de l'espace où il faut caser les personnes victimes des inondations, mais aussi remettre les écoles, puisqu'il y a des écoles aussi qui ont été inondées, remettre les écoles dans les, conditions. Je pense que c'est bien ce que le gouvernement a essayé de faire. Euh, mais moi, j'ai l'impression que euh, le gouvernement est rarement prêt en octobre pour la rentrée. Hein. C'est prévu euh, en début octobre, il faut faire la rentrée. Mais on se rend compte que généralement, plusieurs semaines plus tard, il y a énormément de choses, que ce soit la présence effective des enseignants sur le terrain, que ce soit parfois les fournitures qui viennent en retard, euh, ou euh, les conflits, parce que généralement, tous les conflits qui dorment pendant les vacances reviennent à l'état de. Euh, reviennent sur la table lorsque la rentrée arrive. Je parle souvent des conflits entre enseignants et gouvernement, toutes les demandes non satisfaites, etc. Donc la rentrée, c'est vrai, il faut choisir un moment, il faut s'engager, mais il y a toujours des choses qui font qu'on a du mal à tout euh, lancé dès, le mois d'octobre. Donc c'est normal que euh, dans un premier temps que on puisse déjà faire ce premier pas avant de pouvoir euh, oui, parce que, à certaines exigences. Tout à fait. Et puis au-delà au -delà des inondations qu'on a vécues, on est quand même dans un contexte aussi particulier du fait des élections qui pointent à l'horizon. Mmh. La plupart des principaux responsables du pays... Euh, les acteurs sont quand même euh, souvent engagés dans les élections qui arrivent. C'est un événement majeur. Et donc, à mon avis, il faut peut-être commencer maintenant. Mais encore une fois, il faut souhaiter que ça se déroule normalement. S'il y a d'autres défis qui arrivent, pendant que tout le monde est engagé dans les élections, peut-être que les gens n'auront pas suffisamment de temps pour revenir et poser les. les, Est-ce que vous voulez dire que l'attention des, des, des, autres puisse être focalisée ailleurs je que... que le contexte électoral qui s'annonce puisse se faire au détriment de l'école, parce qu'il y a quand même énormément de défis. Les défis de l'école, ce n'est pas simplement des classes occupées à cause des inondations. Il y a énormément de choses qui ont été posées, qui n'ont pas été soldées. Euh, regardez la question de l'affectation des enseignants. Je pense que ça fait pas longtemps, un an ou deux ans, où on disait il y avait des femmes qu'il fallait affecter, c'était des femmes mm. dont les ménages sont ici, euh, on voulait les affecter ailleurs, il n'y avait pas d'entente dans les Toutes ces questions sont en suspens, elles ne mm. sont pas réglées les questions des et les questions d'insertion dans la fonction publique, etc. À mon avis, il y a toutes ces questions-là. Et souvent, mm. lorsque la rentrée arrive, ces questions ressurgissent chaque année. Et donc, euh, pour moi, il faut peut-être euh, choisir un moment où il faut faire la rentrée, sachant bien qu'il y a beaucoup de questions qui vont mettre du temps à, se mettre en place. Alors, justement, euh, quels sont les principaux défis auxquels vraiment... les différents acteurs, notamment l'État en premier lieu, mm-hmm. doivent s'activer je pense que parmi, parmi ces défis, il y a d'abord euh, la question de la présence effective des enseignants sur le terrain. Peut-être que parfois, quand on est à Niamey, on ne le sent pas, puisque euh, parfois on parle même de surplus hein, d'enseignants dans les milieux urbains. Mm. Si vous allez dans Alors que les milieux, le milieu rural, est, vraiment en déficit. Euh, mm. Vous n'avez pas suffisamment d'enseignants dans les, dans les écoles. même lorsque les enseignants sont affectés, parfois des semaines, des mois plus tard, ils ne sont pas encore ne sont pas encore sur leur euh, lieu de travail. Et donc, euh, et donc ce qui fait que ce qui fait qu'il y a énormément de défis mm. euh, qu'il faut, qu'il faut lever par rapport au corps enseignant. Quelquefois, les fournitures aussi, hein, les écoles les plus éloignées, ça met du temps ah. avant d'arriver dans ces, dans Pour ces les acheminer. Maintenant, il y a aussi une question des ressources. L'école, ça demande beaucoup d'argent. Il faut être capable de mobiliser ces ressources. Ce n'est pas toujours qu'on a ces ressources-là. Et donc, les défis sont nombreux, la question des enseignants qui ont des arrêts, qui ne sont pas payés, les engagements pris par l'État pour intégrer à la fonction publique. Effectivement, c'est aussi une question qui est en suspens. Et donc, toutes ces questions-là sont, sont, bien présentes. Hein. Rappelez-vous, il y a eu quand même des mouvements et tout ça. L'année écoulée, ces questions ne sont pas réglées. Elles se sont tues, à mon avis, à cause des vacances. Maintenant, toutes ces questions-là vont revenir. Euh, je me demande, est-ce qu'il y aura une oreille attentive dans un contexte où tout le monde est occupé par les élections Je vous pose cette question. E-, Elhaj Suleiman, est-ce que c'est une préoccupation que vous partagez aussi euh, ce contexte en dehors de tout ce que nous venons de citer, notamment euh, ce contexte sanitaire morose dû au Covid-19 Maintenant, il y a eu les inondations. Nous nous préparons à rentrer dans une phase d'élection. Euh, en tout cas qui va s'étendre jusqu'en janvier, février. Voilà. Euh, est-ce que est-ce qu'il faut craindre, en tout cas pour, pour, pour, l'école euh, Absolument. le plus important, certes, il un gouvernement qui est, qui est en place. on va progressivement constater que tous ceux qui sont concernés par les élections euh, vont démissionner pour aller s'occuper à ça et on se rend compte que c'est une vraie préoccupation. On a tendance justement à ne pas prendre très au sérieux les euh, questions essentielles comme euh, l'éducation, comme, l'éducation comme l'école. Et déjà, franchement, à la vue de la rentrée, on a entendu les acteurs de l'école, notamment les différents syndicats, en tout cas leur euh, revendications, les problèmes qu'il pose, euh, tout cela, est-ce que euh, le gouvernement en place a pris vraiment toutes les mesures pour vraiment euh, régler les problèmes Sinon, le risque effectivement d'avoir aussi des mouvements donc au niveau des enseignants ou bien en tout cas d'autres partenaires. Mm. donc disons que je pense que le plus important il va falloir au niveau du gouvernement, euh, parce que euh, je crois l'État c'est une continuité, qu'il faut faire attention. Euh, il ne faut pas justement que l'impact du contexte électoral justement fasse en sorte que l'école soit vraiment délaissée. il va falloir que les moins... Euh, en tout cas, qu'il faut, il faut, il l'a dit vraiment, il faut euh, donc payer les arriérés des enseignants. L'autre fois, on a entendu justement les, syndicalistes dire que par exemple, une catégorie d'enseignants de, qui ont jusqu'à Notamment, au secondaire, effectivement, qui ont euh, jusqu'à Donc ça, c'est des questions, je pense, qu'il va falloir vraiment régler parce qu'un enseignant ne peut pas être, en tout cas en classe, lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir le minimum vital. Euh, donc je pense que c'est des questions essentielles. Euh, c'est pas la première élection qu'on va organiser. Euh, qu'on va organiser. Donc je pense que le plus important, c'est que les plus hautes autorités, vraiment, qu'ils puissent prendre vraiment des dispositions pour que nous convaincre que, contrairement à ce que disent les syndicalistes, ce n'est pas une rentrée politique. même même Diado, alors vous avez entendu un peu ces, ces différentes réactions de nos confrères par rapport à cette rentrée qui vient d'avoir lieu. Il y a ce contexte d'élection qui s'annonce. Qu'en pensez-vous euh, Oui, moi je pense que ces, ces élections auront un impact, en tout cas, sur euh, l'éducation. Mm. Parce que, comme l'a dit Raïs Suleiman, euh, il y a des ministres en charge de l'éducation mm. qui vont, qui seront obligés de démissionner en fait pour aller battre campagne. Mais normalement, ils seront, ils vont être remplacés. Mais ils seront remplacés, mais, c'est comme si toi qui as commencé le travail, tu laisses le travail et on amène quelqu'un d'autre qui peut-être là où tu t'es arrêté, il va pouvoir continuer, mais il va pouvoir continuer comment C'est ça en fait. Parce que aujourd'hui, tout est focalisé non pas sur l'école, mais tout est focalisé sur les élections. Mm. C'est ça, en principe, c'est ça qu'il faut craindre. Mm. Mm. Celui qui va venir, certes, celui qui était là aussi n'a pas pu faire grand-chose, mais celui qui va venir, euh, est-ce qu'il va faire plus que celui qui était là au tout début C'est ça. Donc, maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez des doléances qui sont là déjà aussi, <coughs> les doléances de certains enseignants. Qui, demandent à, ce que euh, euh, qu'ils soient mis dans leurs droits. Il y a tout cet aspect-là et sans compter également que vous avez, euh, par exemple, les, préoccupations des uns et des autres, parce que euh, pour que l'éducation fonctionne, il faut également un bon budget et il faut également euh, vraiment des enseignants aguerris. Hmm. Et avec ces problèmes que nous avons vus de ces enseignants qui réclament qu'on les mette dans leurs droits, hmm. je ne pense pas que avec ces élections qui s'annoncent aussi, que l'État peut faire grand chose à ces enseignants pour que l'école aussi, pour que ces enseignants puissent retourner à l'école et dispenser les cours normalement. À résumer, c'est euh, une année de tous les défis euh, où les acteurs doivent en tout cas euh, être vigilants et peut-être pour que c'est en tout cas le secteur éducatif ne puisse pas être ne puisse pas en pâtir par rapport à ces élections qui s'annoncent. Voilà, voilà. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Il faut que tout le monde puisse mettre la main dans la patte pour que l'école puisse réussir hein, pour cette année, euh, pour l'année 2020-2021. Sinon, c'est vraiment les élections aura, ces élections auront un impact sur l'éducation. C'est ce qui est sûr. Merci Maimouna. Nous revenons au studio pour euh, passer euh, au second sujet de ce forum de la presse. Je le disais en début d'émission, l'Union des travailleurs du transport est assimilée du Niger UTAN a appelé ses militants à observer une journée de grève ce jeudi 15 octobre, jour de la rentrée scolaire, justement. Une façon pour eux, euh, en tout cas pour, pour ces syndicats, de dire non à l'exigence du permis biométrique euh, aux transporteurs pendant ce temps, on a vu que le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger, CSSTN, et le collectif des propriétaires des taxis, CPT, ont à leur tour demandé par voie de communiqué signé le 13 octobre dernier à leurs militants et sympathisants de ne pas observer euh, la grève à cause de son caractère politique selon leurs propres termes. Alors, euh, Elhaj Mohamed Suleiman euh, du journal en ligne Niger Inter, qu'en pensez-vous euh, de l'objet de, et de l'opportunité de cette grève euh, à laquelle euh, l'UTAN avait appelé et auquel, <laughs> à laquelle aussi les autres, certains collectifs ont appelé au boycott. Ben, je pense que la question du permis biométrique, c'est une question vraiment polémique parce que beaucoup de citoyens considèrent que un permis, c'est comme un diplôme. Changer un permis. Qui n'a pas de durée de vie. Euh, on ne devrait pas payer pour changer son permis. Ça devrait être vraiment euh, juste euh, peut-être les frais de timbre, en, tout cas vraiment administratif à régler. Mais malheureusement, cette idée n'a pas prospéré. Le, gouvernement a, en tout cas, passé outre cette considération, franchement, qui euh, beaucoup de citoyens, en tout cas quand on suit euh, vraiment les, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, euh, les acteurs aussi donc de la société civile vraiment ont énergiquement dénoncé cette euh, disposition en tout cas. Euh, mais on se rend compte que donc euh, ce n'est pas effectif. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas faire ce permis, même si par ailleurs déjà une ou deux semaines. la police commence véritablement à, sanctionner les contrevenants, ceux qui n'ont pas justement le nouveau permis. donc maintenant, je considère que les syndicalistes sont dans leur rôle justement euh, de dire que de ne pas effectivement tempérer à cette euh, disposition euh, qui n'est pas très, très, je veux dire, conforme à, l'intérêt général, à ce qui doit être. maintenant, par rapport à la contradiction, je pense que le syndicat, les syndicats au milieu de transport, en tout cas, sont un peu divisés depuis quelques années. Ce c'est pas la première fois en constate qu'ils font un appel. Il y a d'autres qui disent de ne pas faire, et vous l'avez dit. Ça, c'est pratiquement c'est pratiquement dans beaucoup de secteurs. clairement que euh, la, la, la, la, demande, donc le but est, est, politique. Bref, mais on se rend compte, en tout cas aujourd'hui, euh, la grève, vraiment, on peut dire que c'est mitigé, ça a perturbé quand par même. Par rapport au euh, suivi. Absolument, par rapport au suivi. Donc, d'autres ont grévé, d'autres n'ont pas grévé. Mm. Donc, bon, je pense que c'est quand même. C'est là la démocratie. Mm. Euh, d'aucuns ont décidé de ne pas gréver, d'autres ont grévé. Mais le plus important, je pense que aussi, euh, pour une question de bonne gouvernance, il y a des questions vraiment qui méritent d'être traitées en tenant compte de l'intérêt général. Aujourd'hui, quand même, euh, c'est ce que tout le monde constate, euh, euh, c'est, je crois, 10 000 quelques qu'on, paye pour faire, pour, faire ce, permis. moins de 11 on peut considérer que, justement, mais je pense que le principe parce que vous voyez, lorsque la, la, société est, il a que il voudrait mettre en avant que c'est un, un permis sécurisé, mais vous ne pouvez pas, quelqu'un qui a déjà son permis, on ne l'apprend pas à conduire, il sait déjà conduire. Donc, le fait d'aller prendre le, le, le, permis ne change à rien, tout simplement. Ses capacités, euh, à, à, conduire. À partir du moment où on ne peut pas de faire un autre, un autre permis. Donc, bref, je pense que c'est important, souvent, certaines questions qu'on puisse les régler vraiment pour éviter certaines polémiques inutiles. Mm, bien. Euh, Azan Boukar alors, par rapport à cette grève, l'opportunité et l'objet, euh, comment vous analysez l'opportunité et l'objet euh, de cette grève Je pense que sur euh, cette, question du, du, permis biométrique. En dehors du taximan, d'autres citoyens auraient pu manifester. Parce que lorsque cette question a commencé, Alain Suleiman a rappelé le fait que, bon, quand tu as le permis, on pense que tu l'as pour toujours. Euh, en tout cas, dans notre contexte, c'est bien cela. Mm. On peut s'attendre à ce qu'on vous demande une carte d'identité biométrique ou un passeport biométrique. Mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est une exigence internationale pour sécuriser, pour des questions de sécurité, lutte contre le terrorisme, etc. Souvent, aujourd'hui, on demande des documents de voyage qui soient bien sécurisés et la biométrie est souvent, est souvent exigée. On pourrait le comprendre dans ce mm. contexte, mais pour un permis, on s'est dit, mais pourquoi on veut le faire Jamais, à ma connaissance, le permis nigérien n'a été en cause. Par contre, regardez, le passeport nigérien a fait l'objet de beaucoup d'histoires dans d'autres pays, etc. Mm. On pouvait le comprendre. Et donc, il y a cette aspect. Le deuxième aspect, c'est quand même une institution de lutte contre la corruption qui a dit il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. la la Halcia. Et l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux laissait croire que on a voulu le faire pour des intérêts privés. C'est-à-dire, voilà un domaine public à partir duquel on développe des intérêts privés au profit de quelques privilégiés. C'est comme ça que les gens l'ont compris, puisque à travers les réseaux sociaux, tous les débats qu'il y a eu, les gens sont même allés jusqu'à citer des noms pour dire on les fait pour des intérêts privés. Pour montrer un peu la liaison de, certains propriétaires avec des tenants du gouvernement. Voilà. Et il y a quelque chose de gênant de ce point de vue. C'est-à-dire que, que dans un pays où normalement tout se fait pour l'intérêt général, pour l'intérêt public, que des intérêts privés puissent interférer dans la gestion des affaires publiques, ça pose un problème, pas seulement pour les taximens. Aujourd'hui, eux, ils réagissent parce qu'ils sont directement concernés. Mm parce qu'ils gagnent leur vie dans, dans, cette activité de transport. C'est le domaine hmm. d'activité. Mais au-delà, c'est quand même une question qui moi, concerne beaucoup tout le monde. C'est une question citoyenne, hmm. c'est-à-dire que dans la gestion des affaires publiques aujourd'hui, lorsque, comme l'a révélé la Halcia, lorsqu'il y a une interférence entre des intérêts privés. Des conflits d'intérêts, peut-être euh, pour moi, ça pose un vrai problème. Et c'est pour ça que je me dis, les taximans sont là, mais d'autres citoyens auraient pu manifester en disant, on veut voir clair dans ça. Maintenant, les, gens qui disent, bon, nous, on n'a pas appelé, oui, comme vous le dites, hein, c'est habituel. Mais je ne suis jamais arrivé à le comprendre. C'est-à-dire que moi, je suis un syndicat. Quand je lance un mot d'ordre, je m'adresse à mes militants. Mm. Mais vous avez toujours quelqu'un qui attend la veille. Et comme par hasard, il attend la veille du mot d'ordre pour dire, lui n'a pas appelé pour donner euh, un mot d'ordre un mot voilé, un, mot voilé, c'est une façon de dire boycotter ce mot d'ordre. C'est ça un mot voilé. Mm. Parce que si vous n'avez pas lancé un mot d'ordre, mm. eh bien, vous n'êtes pas sonné. Pourquoi vous réagissez Ça ne vous concerne pas. Mm. Ça concerne ceux qui ont lancé le mot d'ordre et leurs militants. Alors, j'espère bien que les gens le font parce qu'ils sont convaincus que c'est politique. C'est ce qui a été dit hier. pas pour d'autres intérêts. J'espère que c'est vraiment pour ça. J'espère que ce qui a été dit officiellement, c'est la vraie raison pour laquelle ce, ce communiqué a passé dans les médias. J'espère. Bien. Maimouna Diado, alors, est-ce que la lutte contre l'établissement du, permis biométrique n'est-elle pas perdue d'avance du moment où beaucoup de personnes s'en sont procurées oh, Perdue d'avance, euh, je ne peux pas en fait me prononcer sur ça. Euh, mais ce que je sais, je ce que je sais, c'est que euh, beaucoup en ont déjà fait. Euh, beaucoup restent également qui n'ont pas encore pris le permis biométrique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la grève des taxis, des, conducteurs de taxi, euh, c'est une grève légitime que les uns et les autres devraient appuyer parce qu'ils ne sont pas contre, en fait, nous, les Nigériens ne sont pas contre le permis biométrique, mais c'est la manière d'octroyer le permis biométrique que certains fustigent. Donc, ça veut dire que, en fait, une question, il y a eu toute une question autour, euh, toute euh, une sorte de question autour donc euh, de ce permis biométrique. La LCA s'est impliquée. Nous avons vu des acteurs de la société civile qui étaient à un moment donné en charge donc de ce dossier, qui ont examiné la manière dont le permis biométrique était en train d'être octroyé, donc d'être changé en faveur donc du permis euh, rouge, le carton rouge. Donc je pense que aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, Nigériens qui se sont pressés pour aller prendre le permis biométrique. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas du tout pressés et, pensent ne pas être concernés par, cette, euh, euh, par ce changement donc, de permis biométrique. là, Suleiman disait tout à l'heure, a Suleiman disait tout à l'heure qu'il euh, y a des questions euh, sur lesquelles véritablement il, va falloir peut-être euh, s'asseoir et, véritablement entamer des discussions pour, pour l'intérêt général. Mais il a parfaitement raison quand, quand il dit qu'il y a certaines questions qui nécessitent euh, de s'asseoir et de trouver des solutions. Par exemple, le permis biométrique, quand vous regardez, on aurait bien voulu que ceux qui sont déjà détentrices, euh, les personnes détentrices déjà du permis, le permis rouge, puissent par exemple, moins, euh, euh, euh, on n'a pas besoin aujourd'hui peut-être de payer pour avoir le permis biométrique. Peut-être ceux, qui, ceux qui devraient avoir le permis biométrique, ou ça sera peut-être une exigence pour payer, c'est ceux-là qui ont qui, qui, n'ont pas d'abord. Qui venaient d'obtenir leur, permis, vous voulez dire oui, voilà. Donc je pense que c'était, vraiment comme ça que ça devrait se, faire la procédure. mais aujourd'hui, mais le permis, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, parce que je ne suis pas détentrice du permis biométrique, que le permis qui est à ma possession aujourd'hui n'est pas valable. C'est ça en fait le problème. Donc il faut nécessairement qu'on trouve un consensus autour de ça. Le permis, que ce soit le permis en rouge, carton rouge, que ce soit le permis biométrique, je pense que c'est un permis. Un permis, c'est un permis. Donc, on ne peut pas priver certains Nigériens aujourd'hui de circuler parce que, tout simplement, ces Nigériens n'ont pas le permis biométrique. C'est ça, en fait, Bien. La, vraie préoccupation. Bien, Maimouna, nous revenons au studio. Alors, euh, rapidement, cette question que j'ai posée à Maimouna, à vous deux également. Est-ce que la lutte n'est pas perdue d'avance du moment où euh, une grande partie des, des Nigériens euh, a quand même pu se procurer de, de permis. Euh, on se retrouve dans une situation où d'autres en ont, d'autres n'en ont pas. Euh, alors, Hassan Boukar Je pense que ça dépend de la façon dont les, les conducteurs s'organisent et qu'ils portent cette lutte-là. Évidemment, c'est un premier message, c'est une grève d'une journée, c'est un message qu'ils font passer. Alors, quelle est la suite qu'ils vont, vont donner à cette lutte Ça dépend de ça. Et comment l'opinion va accueillir Est-ce que la lutte va s'élargir Est-ce que d'autres acteurs vont se joindre Parce que, encore une fois, pour moi, il ne s'agit pas simplement d'une lutte qui concerne les transporteurs. C'est vraiment une lutte que d'autres citoyens peuvent poser pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus haut. Donc ça dépend de comment euh, les gens vont, l'opinion va réagir à ça. Là, qu'en euh, pensez-vous de, de, en de, la suite de, de cette lutte euh, euh, quand on sait que déjà beaucoup de Nigériens, en tout cas, on pu s'en procurer En fait, je pense que ce qui s'est passé, déjà la lutte a d'une certaine façon porté, parce que initialement, ce permis allait coûter jusqu'à 19 000 francs. On est revenu à 10 500. Il y a une révision de, du coup je pense qu'au niveau du gouvernement, c'est une concession, alors qu'on se souvient, à un moment, c'était le Premier ministre, donc, face, euh, surtout après donc, les révélations de la Alcia, mm. qui a dit d'arrêter cette affaire. Mm. Mais par la suite, le gouvernement, en conseil de ministres, nous ont remis en marche euh, le, processus. le permis obéir donc, aux normes de la communauté, c'est dit, voilà. Donc, j'ai comme l'impression, justement, euh, à partir du moment où déjà le ministère des Transports a demande euh, au de l'Intérieur. Et justement, je l'ai dit tout à l'heure que la police commence déjà en fait, à sanctionner les, contrevenants. Donc cela veut dire que d'une certaine façon, on est de faire le, fa fait parce que avant, les gens se disent qu'il y a une longue queue, mais de plus en plus, la situation se décante, que les gens viennent faire le permis. Donc j'ai comme l'impression, euh, le combat, comme vous l'avez dit, est presque perdu, en tout cas d'une certaine façon. Je ne sais Il y a une sorte de résignation de, de, euh, de Niger. Si on tient compte en tout cas du rapport de force, j'ai comme l'impression que la concession que le gouvernement a pu faire euh, donc syndicat syndicat ou bien euh, au au c'était vraiment de revoir donc le montant qu'il faut payer ah, pour, ah, ce permis. Euh, Maimouna Diado, on avait parlé tout à l'heure, on l'avait effleuré, cette question du boycott du mouvement de grève lancé par l'Union des travailleurs du transport et assimilés. Donc il y avait ces deux collectifs qui ont appelé au boycott parce qu'ils estimaient que euh, c'est une grève, en tout cas, qui a un objet euh, qui est purement politique. Comment comprendre, euh, alors, expliquer ces, ces, ces, ces contradictions souvent des les, mouvements Du moment que l'autre, l'autre, l'autre, elle l'autre côté, donc l'autre syndicat a appelé le collectif a appelé à la grève. C'est l'union, l'union des transporteurs qui a appelé. oui, voilà, des, travailleurs, oui. Oui, on, on appelé à boycotter. Donc, on appelait d'abord à la grève. Mhm. Il y a d'autres qui sont sortis pour dire qu'il faut boycotter. Moi, je pense que si réellement quelque chose ne vous concerne pas, c'est pas, vous ne pouvez pas sortir la veille pour dire qu'il faut boycotter. Non, parce que je pense que ceux qui ont appelé à aller en grève sont dans leur plein droit d'aller en grève. Maintenant, parce que sur les raisons qu'ils ont avancées, ce sont des raisons justes aussi, que je trouve que c'est juste et que ça ne doit pas concerner également en principe les conducteurs de mm. taxi, mais ça doit concerner mm. la population nigérienne. Maintenant, parce que ce qu'ils ont dit, c'est d'abord les qui est aujourd'hui le carburant aujourd'hui, qui est très cher, et ça fait plusieurs années qu'ils sont derrière le gouvernement pour diminuer le carburant. Ils ont parlé également du permis biométrique. Aujourd'hui, avec les tracasseries de la police, moi je trouve que c'est juste ce n'est pas une question de politique. Et si c'est une question de politique, ceux qui ont avancé que c'est une question de politique, peut-être qu'eux euh, ils comprennent ça autrement. Hein, mais je pense que peut-être ils ont regardé plus euh, Maimouna, oui euh, désolé de vous interrompre. Euh, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons passer au dernier sujet de ce forum de la presse. C'est cette fameuse plainte déposée par le cadre de concertation des acteurs de la société civile nigérienne, parmi lesquels se trouve, tournons la page, Croisade alternative espace citoyen ils ont porté plainte au tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre la ville de Niamey et l'État du Niger suite à l'interdiction justement de, la manifestation qu'il avait prévue euh, pour le vendredi 9 octobre passé. Qu'en pensez-vous de l'interdiction de cette manifestation au motif d'état d'urgence sanitaire et de troubles à l'ordre public Ça n'a pas euh, sa raison, d'être. Hein. Le fait d'interdire à d'autres citoyens de manifester leur droit de, de, manifester leur droit donc de, de, grève ou de lutte, euh, de s'exprimer. Je pense que c'est pour des raisons de questions sanitaires, alors que nous voyons qu'il y a rupture d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des, politiciens aujourd'hui qui sont en train de sillonner les régions du Niger. Et, mais pourquoi on ne peut pas les interdire dans ce cas. Parce qu'une manifestation. souvent, dans ces, dans ces euh, tournées dont vous parlez, il y a des mobilisations euh, importantes. Des mobilisations, mais on voit les mobilisations. Mais est-ce que ces gens-là sont en train de porter les bavettes Ils vont revenir au studio Est-ce qu'ils sont en train de. de oui, est-ce qu'aujourd'hui, les règles d'hygiène sont en train d'être respectés. Hmm. Mais non, pas du tout. Mais donc, on ne peut pas aujourd'hui aussi interdire à ces acteurs de la société civile leur droit de manifester, parce que ça a été toujours interdit. Aujourd'hui, c'est des raisons en raison, et nous arrivons aujourd'hui à cette raison d'interdiction de manifestation pour euh, euh, l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire nous revenons au studio. Nous revenons au studio. Euh, là, Mohamed Suleiman, alors qui, euh, quelle est votre analyse par rapport à cette interdiction euh, euh, de la manifestation et, puis ces acteurs qui ont jugé utile de, porter plainte contre l'État du Niger et la ville de Niamey Je pense que si ma mémoire est bonne, en tout cas depuis 2018, c'est une véritable pomme de discorde entre euh, la société civile et le l'autorité, euh, en tout cas le gouvernement, mm. le régime en place, euh, à savoir que l'autorisation de faire de manifester est systématiquement interdite. Ils font appel souvent, ils passent outre ce qui a amené quelques échafouries. En tout cas, souvent les gens se retrouvent en prison. Donc on se rend compte que le problème demeure euh, et je pense que cette fois-ci, euh, donc c'est que la société civile euh, ont porté plainte non seulement contre l'État mais aussi contre les agents de l'État. Donc c'est de l'espoir véritablement que le droit de manifester soit effectif. maintenant, ils ont, la dernière fois, ils ont déposé donc une demande de manifestation. Ils ont mis en avant le fait que non seulement ils étaient interdits de manifester, mais aussi on les a empêchés d'accès à la justice. la justice Donc tout cela, nous sommes en démocratie. Il me paraît évident que c'est une liberté fondamentale. Il n'y a rien à redire. Euh, justement, il va falloir, euh, dans un souci justement de bonne gouvernance démocratique, euh, ça, c'est des éléments qui sont en tout cas des indicateurs euh, euh, d'une bonne gouvernance dans un État. Effectivement, euh, les organismes qui, en tout cas, donnent des indicateurs, et vous le savez, a, il y en a beaucoup, des structures des ONG, en tout cas, qui évaluent les États effectivement considère un certain nombre de choses comme la liberté de la presse, la liberté de manifester, euh, donc la liberté associative. Pour, apprécier euh, la bonne gouvernance, pour apprécier la démocratie et la liberté d'expression. C'est un débat de fond mm. posé pour la société civile. Donc maintenant, il va falloir, euh, donc on va voir quel sort justement cette plainte va avoir. Mais je pense qu'ils sont dans leur rôle, dans leur bon droit effectivement de poser ce problème. Mm. Euh, Hassan Boukar, euh, voilà cette euh, manifestation en tout cas qui a été interdite. voilà. on sait que c'est le motif est qu'il y a un état d'urgence sanitaire, un état d'urgence sanitaire qui a été instauré ou réinstauré, on va dire, il y a moins de deux semaines, il y a quelques jours, voilà, disons. Qu'en est-il Oui, je, pense que depuis que le Covid-19 s'est annoncé, j'ai comme l'impression que pour certains régimes, c'est une aubaine. C'est finalement le prétexte qui permet tout. C'est-à-dire, euh, lorsque vous voulez réprimer les libertés, vous dites Covid-19. Alors euh, là, je pense que c'est Memona qui l'a évoqué, dans un contexte où les acteurs se mettent tout de suite en campagne avant même que la campagne ne soit lancée, mobilisent des foules. Ils se battent à qui est capable de mobiliser plus de personnes. On voit bien comment ça se passe. Mais le jour où vous dites, nous voulons manifester au nom d'un droit constitutionnel, en ce moment, on rappelle qu'il y a le Covid. C'est comme si on instrumentalise le Covid-19. Et donc, ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire que alors la question c'est, est-ce que les gens qui l'utilisent, est-ce qu'ils sont soucieux de savoir qu'on les prenne au sérieux ou non ou alors pour eux l'enjeu, ils peuvent violer les droits sous le prétexte de n'importe quel argument. Ah c'est l'impression que ça donne, en fait. Sinon, je suis d'accord avec Alain Suleiman, c'est-à-dire c'est un débat de fond. Il faut aller dans des, contentieux, hein. c'est-à-dire il faut mettre à l'épreuve la justice, il faut mettre à l'épreuve les lois de la République, puisque la liberté de manifester est une liberté fondamentale. Alors on se retrouve depuis maintenant plusieurs années où Systématiquement, c'est interdit. Et même, vous avez des gens qui ont un certain niveau de responsabilité politique qui disent on veut régler des comptes. En interdisant des manifestations publiques, on veut, on veut régler des comptes. Et donc, je pense que lorsque on a des situations de ce type, il faut mettre aussi la justice à l'épreuve. Alors, la justice est justement, euh, mise à l'épreuve, en quelque sorte, par ces, cette série de ces, plaintes. Euh, quelles, sont, à votre avis, les chances d'aboutissement de, ces plaintes contre l'État du Niger bah la, contre la, ville de, Niamey la, première chance, c'est qu'il y aura une décision de justice. C'est-à-dire que vous amenez le pouvoir judiciaire à se prononcer sur l'attitude d'un régime face aux libertés fondamentales. Hmm. Vous aurez au moins cette décision. Que la justice dise que c'est on a raison de violer, qu'on n'ait pas raison, il y aura une décision de justice. Et nous sommes dans un pays, les gens suivent euh, ce qui se passe. Je pense que la première chose, c'est d'aller demander à la justice de se prononcer sur cette attitude-là. Mm. Pendant longtemps, les gens l'ont critiqué à travers les médias, dans les débats publics. Les gens se sont plaints de ces interdictions systématiques et qui, frisent vraiment le, la provocation. Par exemple, lorsque la société civile euh, annonce une manifestation, l'interdiction arrive quelques heures seulement avant la manifestation, comme pour interdire aux manifestants d'aller saisir le juge et qu'il, pour qu'ils puissent éventuellement autoriser la manifestation. Et donc, il y a un ensemble d'attitudes, je pense, pour lesquelles c'est bien d'aller au contentieux. On aura de toutes les façons une décision, et peut-être que cette décision fera date dans les rapports entre la société civile et, l'État du Niger. Nous terminons avec euh, Diado. Memouna, quelles sont, euh, d'après vous, les, chances d'aboutir de cette plainte aboutir, c'est que euh, nous savons que euh, la justice a été saisie. Maintenant, l'opinion nationale et internationale, euh, comme, tout comme les acteurs qui ont porté plainte, nous allons essayer d'attendre donc une décision de justice pour voir ce que la justice va trancher dans cette situation. c'est tout ce que nous, nous, attendons de voir. Merci. Le sera dit oui ou non, mm. c'est ça. Merci à tous euh, et à toutes. Euh, nous sommes au terme du forum de la presse euh, de ce vendredi 16 octobre 2020. Rendez-vous ce week-end sur les 45 radios partenaires du studio Kalangou pour le programme des jeunes, samedi euh, et dimanche de 17h avec euh, l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et samedi à partir de 18h15, vous pouvez suivre le forum en Hausa sur la délinquance juvénile au Niger et dimanche le forum en Zarma sur l'importance de la production et de la vente du Moringa. Nous étions en compagnie de nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Elhaj Mohamed Suleiman, journaliste au, journal en ligne Niger Inter et Memouna Diallo qui était en ligne avec nous, journaliste indépendante. Euh, la présentation, c'était Alassane Kouzi Mahamadou, la régie technique assurée par Issa Lawali, la réalisation assurée par Al-Mustafa Yuba. Bonsoir.